Nous sommes lundi 12 août 2024. chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Ali Moukela Hussein alias Seno et à mes côtés, Mariam Adé. À la technique, nous avons Abdelkader Chambiano et à l'édition, Adam Adawaki. Bonjour Mariam. Comment tu vas, Seno Je vais bien, et de ton côté Alors, quel est le programme du jour aujourd'hui Comme d'habitude, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec euh, un programme bien diversifié. D'abord, nous débuterons en information avec le flash et pendant toute la durée de l'émission, nous allons savourer de la bonne musique nigérienne. Évidemment, nous aurons la rubrique justice de cette édition de la culture linguistique et pour le reportage en région, nous restons à Niamey aujourd'hui. Nous recevons comme invité Madame Frilatou Adam, formatrice en anglais médical. Avec elle, nos échanges apporteront sur comment se former en anglais. Sans trop tarder, euh, nous accueillons Nefisa Adamou pour le flash d'information. Bonjour Nefisa. Bonjour bonjour Mariam. Bonjour Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le comité de gestion des inondations et autres catastrophes naturelles a été remis en place ce week-end à Niamey par les autorités. Il est composé de plusieurs membres du gouvernement. Il a pour mission d'apporter des réponses à cette situation des catastrophes au début de la saison, car selon le Premier ministre Ali Mahamal Leminzen, je cite, les eaux qui arrivent provoquent des dégâts et notre responsabilité est effectivement de voir comment les retenir comment les transformer et comment les mettre en contribution pour répondre aux besoins des populations. Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont pris fin hier dimanche soir au Stade de France. Durant deux semaines, des athlètes de plus de 200 nations ont compéti dans plusieurs disciplines. Le Niger, représenté par huit athlètes, n'a malheureusement remporté aucune médaille. Enfin, dans le rapport de l'Organisation internationale du travail OIT publié ce lundi, il ressort que le taux de chômage des jeunes en baisse à 13% en 2023 atteint son niveau le plus bas depuis, depuis 15 ans dans le monde entier. Cette diminution est perçue comme un signe encourageant, surtout par rapport aux 13,8% enregistrés en 2019, juste avant la pandémie de COVID-19. L'OIT prévoit que ce taux devrait encore reculer à 12,8% en 2024 et 2025, avec un nombre total de jeunes chômeurs qui atteint un niveau historiquement bas de 64,9 millions depuis 2000. Et le rapport souligne ainsi la nécessité urgente d'une action concertée pour améliorer les conditions de travail et élargir les opportunités d'emploi décent, particulièrement pour les jeunes dans les régions les plus affectées. C'est la fin de ce flash d'information. Bonne suite à vous. Merci, Merci Passez une excellente journée. Je vous souhaite pareil. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, notre invitée Madame Frilatou Adam, formatrice en anglais médical. Avec elle, nos échanges apporteront sur comment se former en anglais médical. Bonjour Madame. Bonjour à vous. Merci de nous honorer de votre présence. Merci aussi. Mais avant de vous donner la parole, on écoute le groupe Onexa qui nous revient avec les titres Lazo Ego <laughs> ». Est-ce qu'on est prêt pour le prepo e la no La de la valide la goezo La goezo pour la Belle Elle est calée dans la démarche Aucun sympathique quand elle marche Le modèle est top faut visage visages de la soif faut tes images Tous ces caprices moi les breakage De gains pour la go on dirait glace Deux t'attaches moi je m'y attache Gros fond fond, sans aucun gage Ça sent le love Maxime toi baby Mais mes délires ne vont pas jusqu'à la gare Anwar Abdoulaye. Sans le vouloir, je deviens la star. Quand bien même je sais que je suis de toi. Magali Wara. Mais il me suffit de voir une un clin on veut la go. Est-ce qu'on est prêt pour elle à nous? la valide la Goézo. vas-y, vas-y, vas-y. Oh, vu qu'elle est sexy, elle est jolie. Au rendez-vous, y aura beaucoup de folie. Je me pose mille et une questions. Est-ce de l'amour ou une passion? Je sens mon cœur s'emballer pour elle. Comme quoi est-ce que je reçois un cadeau no Noël? Ça sent le long Mais mes délires ne vont pas jusqu'à la gare. Sans le vouloir, je deviens la gare à leur silence pour des raisons personnelles et maintenant ils sont de retour plus forts que jamais. Et oui, dans ce nouveau son, Lago et euh, les deux chanteurs Fredo et Roxim sont sortis de leur zone de confort avec euh, ce nouveau style euh, raga dancehall. Est-ce qu'on la Lago est au Elle est canon, skin no one. Dans sa démarche, elle est calée. Regard revolver, skin no one. J'ai envie de claquer mon salaire, mais pas chez le maire. Simiron, quand il est question de passer voir les beaux-parents. On oh, Et oui, voilà, à l'instant, c'était bien le titre Lago Ezo, euh, au plaisir de tous nos auditeurs qui nous écoutent actuellement. J'espère que vous êtes bien installés dans cette émission, chers auditeurs. Retour au studio après cette belle sonorité musicale pour retrouver notre invité du jour, Madame Farilatou. Rebonjour. Rebonjour à vous aussi. Voilà, alors pour commencer, euh, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à devenir formatrice en anglais médical eh bien, merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer mhm. par rapport à mon parcours et aussi aux différents services linguistiques que nous, avons au sein de notre cabinet. Donc, euh, quand on prend la langue anglaise, elle est aujourd'hui la langue la plus parlée dans le monde entier. Et on voit des gens, on voit beaucoup de gens euh, qui arrivent à booster leur carrière à, l'échelle internationale, à booster leur business à l'échelle internationale et aussi à intégrer des institutions multiculturelles, mm. ok, où la langue euh, de, de travail est l'anglais au moyen de la langue anglaise. Mm-hmm. Donc il y a cette importance là qui est là. Il y a aussi le contexte nigérien. Aujourd'hui, le Niger est un pays non anglophone. Et aujourd'hui, euh, nous n'avons pas, la langue anglaise n'est pas notre langue maternelle et n'est non plus pas la langue officielle, du de travail. Mhm. Donc, du coup, on apprend l'anglais en tant que langue étrangère. Mhm. Et aujourd'hui, pour un formateur ou pour un enseignant, pouvoir encadrer, pouvoir apprendre la langue anglaise, comme je l'ai dit, à un apprenant et qu'il puisse en parler, je pense que c'est un gros défi à, à, relever. Exactement. Donc, en tout cas, en cumul de, de, des, résultats, satisfaisants nous ont conduit vraiment à développer une certaine passion et une certaine dévotion pour l'enseignement ou pour la formation en langue anglaise. Ok. Alors, euh, on parle de, de l'anglais médical ici. D'ailleurs, c'est quoi l'anglais médical L'anglais médical, oui, exactement. Nous avons euh, ce qu'on appelle l'anglais général. L'anglais général, c'est l'anglais qu'on apprend pour des buts de communication. Mhm. On a l'anglais spécifique, ça c'est beaucoup plus spécifique au monde euh, à un environnement non anglophone. Mhm. Disons, euh, comme je l'ai si bien dit, le cas du Niger, on est dans un pays non anglophone. Mhm. Aujourd'hui, euh, on peut se retrouver dans une institution où la langue de travail est la langue anglaise et aujourd'hui. Euh, donc, du coup, à notre lieu de travail, l'apprentissage de l'anglais peut s'imposer. Mm. Et vu toutes nos occupations et tout, c'est pas évident qu'on puisse avoir de l'anglais général. Mm. Donc, l'anglais spécifique tend à donner un niveau immédiat à l'anglais du domaine professionnel de la personne. Hmm. Donc quelque chose que tu peux pas acquérir, peut-être euh, que tu ne peux acquérir pendant des années. Avec l'anglais spécifique, tu peux acquérir le niveau qu'il te faut, juste relatif relativement à ton domaine hmm. professionnel. C'est ça l'anglais spécifique et ça touche à tous les domaines professionnels. Ah d'accord, hmm. parce que je vois le mot médical, j'ai dit ça c'est l'anglais que les médecins doivent parler ou qu'est-ce qui se passe oh oui, oh <laughs> Donc c'est l'anglais spécifique. Oui, c'est l'anglais spécifique et professionnel dont le médecin a besoin pour mener à bien ses fonctions de, de médecin. D'accord, ok. Mariam donc, euh, euh, on, va, on va poursuivre toujours avec nos différentes questions. Euh, pourquoi l'anglais médical est-elle important pour les professionnels Vous l'avez évoqué. Mm. Je pense bien qu'on va, on va, on va esquiver cette question. Alors, dites-nous, comment structurez-vous vos cours pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants en anglais médical Alors, l'anglais général est totalement différent de l'anglais spécifique. Aujourd'hui, on peut prendre des apprenants en anglais général mm et leur enseigner à travers différentes méthodes ou à travers un curriculum commun. Mm. Mais en ce qui concerne l'anglais spécifique, il faut vraiment adopter des méthodes et des approches qui soient spécifiques et assez différentes. Donc quand on prend l'anglais spécifique, vous voyez, en tant que, euh, en tant que formateur, il faut s'intégrer dans le monde professionnel de, des apprenants. Mm. Vous voyez, et pour pouvoir euh, détecter le besoin en langue et de, satisfaire ce besoin-là. Mm. Ça le plus. Donc c'est en fonction du besoin de langue qu'on établit, qu'on on élabore le curriculum, mm. on développe le contenu du cours mm. et on passe à la formation. Par exemple, si, si, euh, par exemple, euh, si moi, par exemple, j'aimerais apprendre l'anglais spécifiquement dans le domaine de la communication, mm-hmm. là, vous allez établir le, programme en tenant compte de mon domaine d'intervention. que voulez dire. Exactement. Je vais intégrer le domaine de la communication communication pour pouvoir t'élaborer un curriculum qui soit euh, spécifique à ton domaine et qui puisse répondre à ton besoin. En Je pense que c'est bien clair pour nos auditeurs. Alors, quels sont euh, les sujets clés et les, terminologies essentielles que vous abordez dans vos formations. Exactement. Donc, que ce soit en anglais général ou en anglais spécifique, le plus important, c'est de pouvoir renforcer les capacités linguistiques de nos apprenants. Donc, quand on prend un apprenant en anglais médical, le plus important, c'est de pouvoir booster, c'est de pouvoir améliorer ses compétences linguistiques en parler en écoute, en, en lecture et puis en, en, en, rédaction. Donc voilà, et ça se fait selon leur activité. Quelles sont les activités que font les médecins mm. Vous voyez par exemple comment accueillir un patient, mm-hmm. comment euh, examiner un patient, mm-hmm. comment écrire... Euh, euh les ordonnances Oui, bien mm-hmm. avant, on a l'histoire du patient, on a le dossier médical, à, les notes qu'il faut prendre. Et pouvoir maintenant recommander ou suggérer des tests de, radio et, et, et, ou de laboratoire. Mm. Et en fonction de ça, pouvoir euh, euh, rédiger ou bien écrire de l'ordonnance la prescription qu'il faut. Mm. Donc, c'est à travers ces activités qu'on fait la pratique, mm, tout en améliorant, en améliorant toutes les compétences linguistiques en fait. Et en y passant, on va aussi s'intégrer dans le, dans le domaine de la médecine mm. à travers les, bon, disons, l'apprentissage des terminologies, des termes techniques et de certaines expressions idiomatiques euh, relatives à la culture de la langue. Mm. voyez, on, peut, on ne peut pas y passer sans, sans faire un tour euh, à étudier par exemple l'appareil digestif, l'appareil, euh, tout ce qui est relatif au cœur et tout. <laughs> D'accord, maintenant on aimerait savoir quelle méthode d'enseignement utilisez-vous pour rendre l'apprentissage de l'anglais médical plus efficace Plus efficace, alors là c'est la, c'est l'approche euh, communicative euh, et aussi disons, l'apprenant euh, est au centre de l'apprentissage en fait. Ce n'est plus l'ancienne l'ancienne méthode d'apprentissage, la méthode traditionnelle où c'est l'enseignant qui est au devant des apprenants, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui transfère tout, c'est lui qui fait tous les efforts et n'implique que les apprenants qu'à travers certaines activités et tout. Non, ici l'apprenant il est vraiment au centre de l'apprentissage. Nous, on, tout ce qu'on fait c'est de, de, de, donner le input, l'information le, le, nécessaire en fait, les bases ou bien les, les bagages intellectuels nécessaire euh, qu'il lui faut pour produire. À 80%, c'est l'apprenant qui va produire. Hmm. Donc nous, on est là en tant que facilitateur, en tant que des, facilitateurs qui puissent booster en fait et qui puissent nourrir la motivation de l'apprenant à apprendre. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à atteindre nos objectifs. Hmm. Avant de continuer nos échanges, nous allons encore souffler à musique. On écoute Bambino qui nous chante Amidine qui veut dire ami. pour la réalisation d'un projet artistique commun. En 2009, il sort un album qu'il baptise « Music from Niger. Et oui, Mariam euh, Bambino, dans son parcours, a rencontré des grands euh, de la musique, notamment le réalisateur américain Ron Wiman. Voilà, qu'il rencontre en 2009, Wiman décide de présenter euh, Bambino dans un documentaire qu'il tournait au sujet des Touaregs. l'artiste Bambino, Madame Farilato, nous sommes à vous. Alors, pour euh, commencer, dites-nous quelles sont les ressources ou des outils spécifiques que vous faites pour l'apprentissage de l'anglais médical. Ok, comme je l'ai dit, le, le curriculum est vraiment spécifique au groupe d'apprenants. Donc, quand on prend le, le cas de l'anglais médical, euh, nous utilisons les ressources, tout ce qui est outils et ressources qui puissent répondre aux besoins à langue des apprenants en médecine. Voilà. Et dans le but d'améliorer leurs compétences linguistiques. Et quels sont les bénéfices observés chez les professionnels de santé après avoir suivi une formation en anglais médical Oui, les bénéfices, euh, les bénéfices, il y en a. disons, ça permet aux médecins qui, qui apprennent et qui arrivent à, exercer son métier de, médecin tout en employant ou disons voilà en employant la langue anglaise. Ce, médecin-là pourrait peut-être euh, euh, traiter des patients anglophones, pourquoi pas Ils en reçoivent chaque jour. Mm. Il peut, le médecin là peut pouvoir euh, assister à des conférences internationales du domaine du monde médical avec la terminologie médicale. Et ce médecin là peut aussi conduire des recherches. En, en tant que médecin, on est on est appelé tout le temps à conduire des recherches pour pouvoir peut-être euh, faire d'autres études ou bien d'autres découvertes. Et voilà, on sait qu'à un certain niveau, la documentation la plus riche, elle est vraiment, elle, elle, elle, est retrouvée en anglais. Hein. Donc c'est un atout. Avez-vous des exemples de réussites d'anciens élèves que vous pourrez partager avec nous aujourd'hui Oui, pourquoi pas. La dernière fois, il y avait un de mes apprenants qui était, il sert dans le domaine humanitaire. Il, m'avait cherché en vain et le jour, il m'avait retrouvé. Il était tellement content. Il m'a dit, mais madame, le, il y a quelque chose qu'on avait étudié ensemble dans la classe et j'ai assisté à une conférence internationale à Bangkok et tout. Voilà, il m'a expliqué que exactement ce qu'on avait appris ensemble. Et on, on avait posé des questions par rapport à ça. Il était presque le, seul à pouvoir s'exprimer là-dessus. Il disait qu'il était très acclamé et vu que son patron était aussi hiérarchique, était aussi présent à la conférence, il l'a pris de côté. Il a dit mais Intel, tu nous as sauvé l'honneur. Hein. <laughs> il a dit tu sais pas, c'est grâce à Madame. <laughs> Donc quand il était revenu, vraiment, il m'a abordé par rapport à ça et j'avais presque les larmes aux yeux, parce que c'est ça le, but ultime. super. Alors quel conseil donnerez-vous à une personne euh, qui souhaiterait se spécialiser en anglais médical à une personne, il faut déjà nourrir la motivation, il faut savoir le pourquoi on apprend euh, une langue étrangère. Donc, si on décide d'apprendre de, euh, de, de l'anglais médical, par exemple, il faut vraiment s'armer de motivation. C'est ça le moteur essentiel. Le, le formateur ne peut pas faire grand-chose tant qu'il n'y a pas de motivation. Il faut se motiver. Et il faut se motiver selon le contexte et selon la vraie vie dans laquelle on est. Est-ce que à notre lieu de travail, on sent le besoin de l'emploi de la langue anglaise Et si oui, on peut se lancer vraiment. Alors, euh, comment voyez-vous l'évolution de la formation en anglais médical dans les prochaines années ah, ça. Aujourd'hui, on sait que l'anglais n'est plus un atout dans le monde professionnel. Hein. Ça devient maintenant une nécessité. Ça s'impose à nous. Mm-hmm. Avec le phénomène de la globalisation, le monde tend à devenir un seul village et donc euh, là, il faut toujours des, des, des, moyens de communication. Et aujourd'hui, mm-hmm. c'est la langue la plus parlée, la langue utilisée pour la communication internationale. Et aujourd'hui, on sait que dans le succès professionnel, il faut vraiment étendre son, sa carrière à l'échelle internationale. si c'est en business, il faut le booster à l'échelle internationale aussi. Il faut prendre part, il faut vraiment euh, prendre part, disons, aux conférences et tout, et, marquer à grands pas le, le, phénomène de, de la globalisation et de faire participer aussi notre pays, le Niger, au phénomène de la globalisation. Et la formation, ça se fait comment en, présentiel ou bien en, ligne Oui, exactement. En présentiel, c'est toujours mieux quand on est sur place. Hein. C'est toujours mieux parce que l'interaction, on est, on est tout le temps en interaction. Hein tout le temps, ce qui fait que on sait que la pratique en ce qui concerne l'apprentissage de la, des langues étrangères, c'est la, c'est la pratique qui, qui, qui, booste et qui améliore les niveaux. Donc, du coup, en présentiel, c'est toujours mieux. Mmh. Mais à, la demande, on a pas mal de gens qui demandent à ce qu'on leur fasse en ligne. Oui, et on le fait aussi. Mmh. Alors, euh, dites-nous, avez-vous un message à l'endroit de ceux qui nous écoutent actuellement Parce que nous sommes presque à la, fin. Hein. Exactement. Donc, je leur dirais de ne pas attendre vraiment de se voir de se voir refuser certaines opportunités juteuses, si on peut le dire, avant de, de se lancer et apprendre l'anglais. Aujourd'hui, il faut il faut mettre un peu la charrue devant les bœufs. Mhm. Il faut il faut se former avant vraiment de de, de de faire face à une situation qui nous ferait regretter. Mhm. Donc il faut se former. Vous, vous nous avez parlé au début de l'émission d'un centre dans lequel euh, vous, êtes en train d'offrir des formations. On ne sait pas concrètement c'est quoi le centre, le nom, ne serait-ce que le nom. Exactement, c'est PMLA, English Language Consultancy, donc la pyramide des métiers de la langue anglaise. On fait tout ce qui est service linguistique, la traduction, l'interprétation et les formations en anglais général et surtout, surtout en anglais spécifique. Et aussi, on forme des gens pour pouvoir passer, pour, euh, afin qu'ils puissent passer des tests internationaux de la langue, de la langue anglaise. On sait que pour être un expatrié, il faut forcément passer des tests internationaux. Pour aller peut-être dans un pays anglophone, il faut passer des, des, des entretiens en, en, langue anglaise et pour intégrer des universités anglophones et américaines aussi, il faut passer des tests internationaux. Donc, on forme aussi des gens et efficacement aussi. Voilà. Merci infiniment, Madame euh, Farilatou de nous avoir honoré de votre présence dans cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci, excellente journée à vous de même. Enfin, euh, une petite pause et on, se reprend juste, juste après. après. Oui. <laughs> Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Mariam, à présent, c'est l'heure de notre rubrique justice. En effet, c'est nous au Niger rappelé plus précisément dans la région de Difa, les conflits fonciers prennent une autre forme, surtout ces dernières années. Plusieurs dossiers sont traités sur ces sujets et d'autres sont en train d'être traités par les différents services judiciaires de la région. Maître Ismaël Aouta Atahirou, avocat à la clinique juridique du projet Adalci Difa, écoutons son entretien avec euh, Abdoulaye Mena. Metir wani irin ƙarin haske za ku yi mana dangane da rikici bisa kan mallakan filayen gona da kuma na gidaje ya girman matsalan yake ne a nan jihar Difa. Rikicin harkan gonaye ko ko hilin ya kanga da bayan mishi takarda na gwamnati. to irin wannan rikicin nan gaskiya akwai shi kwarai tunda sai ku gani gona hakan ga koko hili hakan ga da ba mishi takarda ba mutane da yawa suna tashi sai su ce kamar wurin nasu ne kina irin wannan gardama ya zo generalman mutane wajen megari suke fara zuwa sai su diba megari yana iya samu ya sasanta su megari shi bai samu ya gyara rikicin kina ana iya zuwa wajen justice Tumetri mai doka ke cewa ne akan wannan batu sannan kuma ya ake yi a magance wannan matsalar. Duk wanda ya tashi hakan ga da rikici yana nan ga concerne kin shi yana da hanya ya ta yi justice. In ya zo justice ya ta yi wajen grefiyan chef. Shi grefe ya san wurin da zai oriente kin shi. Akwai shushikin da shi aikin shi ne wannan kama yana kula da irin wannan rigima. Amma shi wannan shushikin eh, na eh, wanda yake harkan kama in akwai rigima ko ko problema hakan ga bisa kan harkan gona hakan ga ina tambaye kowa ne kowa ya kawo shedodin shi da yake nuna kamar wurin nashi ne to da shedodin ne zai aiki ya gani haske cikin magana ya san gonan eh, nawa ne ne wurin ka ce kowa yana iya kawo shaidar shi mai nuna cewar hilin nashi ne sanin kuma kowa ne cewar a wannan lokaci da muke ciki akwai takardu na bogi wanda ba na gaskiya ba ne e a matsayinku na ma'aikata na shari'a ya kuke ganewa takardar ta gaskiya ce cikin harkan shedodi sai kamar harkan gona hakan ga kowanda wata na gona an kai sa'a a kowanda su in za a saida musu omon wanda ya saida musu kinnan kuma ba wajen iko ne an ka an ka yi vantikin an ka yi wani abu omon su dai eh, ko wajen mai gari ne ko wajen abunga suna dai wanda takarda dai da zai zama kamar shaida kan ga da yake nuna kamar wane ya saida ma wane wannan takardar nan tana ya zama ma mutum shaida kwa kun gani kuma eh, bancin wannan cikin harkan shadodi kuma akwai ake ce ma témoignage wanda ake rayuwa eh, da su cikin gari hakan ga eh, sun sani wani ne yake cikin hilin nan wani ne yake cikin gona hakan ga wani ne yake aikin shi to mutune da yake nan ga aiki SQ akwai wani da yake nan ga biya ma jiya mutane wanda suke cikin gari suna samu wannan labari mai gari ma da kanshi da kenan ina da wannan labari duka la plupart des dossiers même da ake shari'a na harkan gona ko hiliya kan ga da babu takarda jina ma irin wannan shaidodi ne mutane suke kawo kamar taimoniya suke kawo effectivement wayansu sai su ce kamar gonan sun yi gadon shi ne wajen ubansu ubansu shi ma ya yi gadon shi wajen kakansu kakansu shi ma ya yi gado wajen wanga akan ga sai a yi irin monte a samu surskin kwa to kuma a da su ko wanda yake da wurin wata yana sai na musu wurin kenan ya na musu wurin ana ya zuwa wajen mai gari a yi dan takarda akan ga wanda yake zai zama shaida kama wani ya da ma wani wuri abin da jujoji za su nema su sani wani ne yake cikin wurin yanzu kamar kakin rikicin yake tashi wani ne yake cikin wurin kuma wani ne yake nan ga noma wurin in gona ne akan ga yanzu in an ka ce su wani ne wanda sun ka kai karan suna ce a wani sevres su ne suke cikin wurin amma mu ne mun ka sa su ciki har ila yau da akwai waɗansu shaidu da alkali zai ci gaba da nema domin sanin hakikanin abubuwan da ke faruwa kuma akwai wani dan abu kuma da yake nan shi ma kamar cikin harkan doka na gwamnati na takardu da an ka sa kamar eh, in mutum ya yi shekara talatin talatin yana kamar cikin wuri ya kanga kamar cikin gona yana aikin gona koko yana mm. cikin wani hili ya kanga bayan mishi takarda bayan mishi vant kwa in yayi shekara talatin yana cikin wurin bai biya jiya bai biya ma wani jiya kuma babu wanda ya hito ya ce kamar wurin nashi ne kenan shari ka zamna ne ya wurin nan wurin yana zama nashi wajen shushuru su gai za su kama za su ce wurin ya zama nashi ne amma kuma abin da ya kamata mutane su gane sai ke eh, témoignage na bisa kan gaskiya zai yi parce que in shaidan ya ta yayi kama témoignage na karya kan ga don wani ya samu gaskiya cikin abin wuce wannan babban lahi ne da yana ya sama shaidan nan ya ta kaso parce que je suis un à témoignage ba ta yi ma mutane shaida bisa kriya quoi. kwa gaskiya ni na ji daɗi da mun ka hira wanga partout Niger quoi. kwa Chers auditeurs, nous allons encore souffler en musique. À cette fois on vous propose les titres Je suis jalouse, chanté par le groupe Crazy Girls. Indie baby, Sammy baby. cherche à te séduire, elle te drague, elle est Elle veut juste pas l'avouer, elle voudrait te me voir tomber. Mais ça n'arrivera jamais, car moi je suis pas de celle qui se laisse faire. Je sais défendre mon territoire. Qu'elle, arrête de croire qu'un jour elle pourra, et si elle veut la guerre, dis-lui qu'elle l'aura. Oh oui. ses bras sur Facebook, elle commence, tout est top. Mon bébé, ma darling, j'ai pas fini. Et quand t'es là, elle fait sexy sexy. Dans mini mini, des excuses pour rester avec toi. Elle m'énerve à la fin. Et, quand je me plains, monsieur me répond, c'est ma best friend. Quelle best friend Ouvre tes yeux, cette fille est dingue de toi. Elle rêve d'être à ma place, nous met dans une impasse qui nous dépasse. Elle n'ose pas te le dire, car je suis pas le seul qu'il faut avoir pour rival. Elle n'ose pas te le dire, de peur que tu la vires. En attendant, ma je te peur qu'elle t'attire. Je suis jaloux, je suis jaloux, je suis jalouse d'elle. Je suis jalouse d'elle. Donc si tu restes avec elle. Je saurais te donner tout l'amour du monde. T'as pas besoin d'elle, non, t'as pas besoin d'elle. Non, non, je veux pas te partager avec elle. Et eh oui, Crazy Girls, à la base, euh, le groupe était euh, un trio composé de Sami et Indy. Et la troisième, euh, c'était bien évidemment Irène. Mais quelques années plus tard, le groupe est devenu un duo avec euh, Sami et Indy. Elles ont fait leur bout de chemin ensemble. Aujourd'hui, c'est est présente dans le monde de la culture nigérienne, mais chacune chante. là le groupe Crazy Girls. Euh, chers auditeurs, euh, après cette euh, pause musicale, passons à l'écho des régions et aujourd'hui nous allons rester à Niamey pour parler du relâchement des liens familiaux qui s'observent de plus en plus à Niamey. Écoutons ce reportage de Abdul Kader. ir neo niger labora dimay gi bagumo na may gi fenka ya dimmono addinay do haray bor kul dinga wana amma kulunda bor ite a follon sabak sinay gono bisande en cer sa bagumo halaka son cardiya al umma da cerga maramu a gono ir neo labora wadin kulmo ifono kanda amanti kala nyeiza tarai bor yam mo gane nyak fosin tarai mege te nyeizo wala mo mege te nyak fosino kaler mo koyga hangan bor wani yanse da tu yan wani ki te irse ak tarai wo barkan ninda goro aranga nane kyarga aran ker beredi aran ker naru an ker nafa wani sai ne daga nya su tarai ya tarai wa manti bankan da ya fo ba fo manti bor ba kai ne mantin ba bankan bor da ne kan ker ga bor ba kawo nga dai tin ya zo kun mora dum wani an ya tarai kan da ba bor wana tarai wa dai ci bor bor an bor dori bai nin bora kani bai ngati ma mantai kuro hin tin yi tarai fa dum wani bo ga te bor ya yi ya fo sun tarai da kati yan aran gaba cari aran gawa fuku aran kan irga bai kan son zaman ora ir borbo ba kul sinyak fo sintarai bai wato borai ni gingai nyak fo sintara te da kalima hangan bor wane yan mose to wallahi wati din borai iga ba kyarno ir ko hin na se wati din ne kala kolo da bor nyak fo sin go no ni ga tun ni ga koy ni ga diya min da ma fa kare din ga kanno makani mutun maka amma hun kuna da wodin da bon na te hun kun sin kala filan go no koy filan do filan go no koy ga bini filan en wobi bini kom yan ni go no koy warai no hun go no wodin kul gangi wato borai borai imanta matkanci ne gani son borai godano amma to bor fo a gingitun amin fola hau am sola am fur kwarara am bunan kul kan ama ne nya fo sin fo gon kan abin abina gaba wal bin mu ban kai ganda nya fo ba fo sin nya kan nya ngai ba fo wala wani ba kai ne ikulu bora agi cici a nya fo sin tare aga dabu wal bin ne wan kai babai di wana nya zai igoro ikulu bora agi zure aga sandi hin dabu so yin turke ne go ke di kilo iddu iye ikoi di nya fo ne an kai man da kule gidiya di man da cin da fo kulu yin da har baliyan bon boren ko yoyen bon boren ka cinda idi cega boren ko farke bon ya futare hinne maga mu koy mi fakare bora sai jirbi hinki hinza ar mu wafu am dikere ni mi kana kwara ngumo da tun ngumo autun pa kake ni koda ni ya no mo kan dono de am ka aram di kere aram fa kare da afu mu afu furara da afu harkutun di bu yanno di hije ino di mu da deno kamu da hanno kudu nya furtara ni gana ga te da amti amburi da bar yan nir ko gidi bi kera kan gana ir son borai imun yayi di matakan wato borai na teda kalir mu ko ga hangan limam se nan ka ga tuir se zanga yakini wasin de ne odai amma kala harno kan agubo rugumu zami ko mbo kan ga te subhanahu wa azza jalla kan bure taka an bore ya mara ane ina imasin den ima dabu imasin den dabiyan ago hara kan nan bore mu te arzaka ago hay kara nan bore mu koy gina ago hay kan nan bore ibrahim sini bure asin dihin awon patiyan son borai ina asin dihin igo gi patiyo ni seno ni di borai ibarai igi hin borai hay kul kandu borai aguzu aguzu fur borai da da dorai do hare dan kanyen da yali ir ko di alayhi salatu wassalamu an borai yamar ani ma asin dihin ima dabu da ir ko subhanahu wa ta'ala agane hadis il kudis ra agane bor kul kan asin dihin dabu ir ko subhanahu wa ta'ala ne ngi bora dabu ban kan asin dihin borna pati ir ko subhanahu wa ta'ala ne qata'atuhu ay bora ay ya dumbu dangane matkan cine iga ham dumbu te basi kai kena in mo eko swano tara agbura aga patpati yani ga bore mu ko kiriya sen dine din bore ma dabu ngono te bot tarai nyeza tarai walima ne nyak fosin tarai irma bai kan arzakano ir al ummara aga nan bore ma ta afallon sabak sinan bagumo yadim mo no bore bisan ni kerse wadin kul banda aga kan da lakkal kanai matabat ir newo ni labora hal da irga ba irma ciya boryan kan kernyeze yanno Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, chers auditeurs, euh, c'est l'heure du sport euh, et nous sommes avec notre chroniqueur sportif du jour. Il s'agit de Gourouza Hasmi. Bonjour Gourouza. Bonjour nous. bonjour Myriam. Bonjour Gourouza. Alors Gourouza, euh, on débute la page sportive de ce matin avec la Foot qui a organisé samedi 10 août 2024 la soirée de gala du Ménador édition 2024, eh et oui, Et le Ménador récompense les acteurs du football du Niger évoluant à la fois euh, dans les championnats du Niger et dans ceux de l'extérieur. Le trophée Mena d'or a été remporté par Victorien adebar Zakaria de l'AS Garde nationale en sa qualité de meilleur buteur, meilleur joueur euh, de la Super League du Niger. Mamadou Tanja de l'AS Fan est élu meilleur gardien. Saleh Chebou de l'Université Abdoumounou Diofo a remporté le trophée de meilleur entraîneur celui du meilleur joueur nigérien à l'extérieur est remporté par Youssouf Oumarou de l'étoile du Sahel de Tunis. La meilleure joueuse nigérienne a été remportée par Firdaus Zakari de Guerrier FC. Le meilleur espoir revient à Moumouni Darankoum de Sheriff en Moldavie et le meilleur joueur étranger évoluant au Niger est Elvis Bernard Adé de l'AS Fan. Le titre de meilleur arbitre est remporté par Hamza Amadou, arbitre FIFA, et le trophée d'arbitre assistant est revenu à Abdelaziz Yakouba. Grouza Kiton Niamey pour aller de la région des Maradi, plus précisément à où NTGV a débuté le samedi dernier. Oui, en effet, ce sont 13 équipes de 4 communes rurales de Mayaï qui sont engagées à ce tournoi des grandes vacances de foot dénommé Coupe du préfet de Mayaï. Pourquoi donc ce tournoi de foot et quels sont les objectifs euh, qui lui sont assignés Suivons les explications de Abaché Souley, le président du comité d'organisation du TGV de Mayaï, au micro de Issoufou Chaibou. da wannan tsara wannan turnuwa na tv na bana kwanciyar neman kwanci hankali da ba ko ce tsara shagulgula irin wanga dama ko da muka bada titar din sai muka ce kubdu prefi menene unwananta unwananta haɗin kai sada zumunci na ko'ina da ko'ina kaga na ɗaya kenan na biyu bana akwai ɗan komin komin da suka karu kuma sama akwai komin ta caki da ta zo kuma akwai komin ta kanan makashi da ta karu wannan turnuwa Voilà, c'était la euh, Abaché président du comité d'organisation du TGV de Mayaï. Une rencontre a eu lieu le jour de l'ouverture qui a opposé l'équipe de Jiva à celle d'Askia. Score final 2 buts à 0 en faveur de Jiva. Juste après la rencontre, Issoufou Chebou a tendu son micro aux deux entraîneurs, celui de Jiva, Lawali Sofia et Murtala Rabiou de l'équipe d'Askia. daɗi sosai ɗari saman ɗari saboda ban san wani irin godiya ja na bina ina sun ba da kansu sun yi aiki da duka abin da na kwatanta musu sun le sun yi mai kenan ban san wani irin godiya vraiment je remercie le bon et je remercie les joueurs aussi wasa saboda Allah wasa ya kyau shi wasa da ma yana zuwa ci ba wani abu ne ba sai dai a nemi gyara zuwa ga kuma ina da yakinin cewa wasa na gaba insha Allah za mu yi nasara kan shi Voilà, c'était la, la Wali Sophia, Murtala Raviou, les entraîneurs malheureux et heureux. Voilà, c'est tout pour ce sport. Merci, Grouza. Aujourd'hui, dans la rubrique Portrait, nous allons à la rencontre de Boubacar Souley, l'un des rares mécanographes et maintenancier informatique à Arlita. Marié et père de sept enfants, Boubacar Souley dit BS a un cursus scolaire plein d'ambition avant d'être repêché par la mission catholique assise à Arlita. Et oui, après avoir suivi avec succès ses études à l'école de cette institution religieuse, Boubacar Souley poursuit son cursus scolaire à l'ENIDAC, école nigérienne de dactylographie, où il s'est initié à la maintenance informatique et qui par la suite va devenir son métier dont il a tant la passion d'exercer. Notre correspondant Gungu Mahaman Dantani s'est entretenu avec lui. Voici son portrait. Dès mon, mon donc à l'école primaire, j'étais tombé malade. Chaque fois, à la fin d'année, je suis chaque fois hospitalisé. La mission catholique d'Arlit m'a aidé. Je poursuivais mes études. La première année de mes examens, j'étais malade. La deuxième, pareil. Je me suis représenté encore au niveau de la mission catholique. Je suis admis, j'ai eu mon CFPD. J'ai fait l'ENIDAC, école nigérienne de dactylographie. Là-bas, on forme des secrétaires dactylographes, des comptables. J'ai suivi cette formation pendant deux ans. Dieu a fait les choses. J'ai réussi mon diplôme. À l'école, il y a un atelier où on apprend la mécanographie, où que le directeur même faisait des petits contrats au sein de la Soumaïr, la Cominac. Ça m'a permis quand même de suivre. Et par la suite, c'est devenu mon métier. J'ai travaillé chez Sidi Blasis en tant que secrétaire comptable magasinier. J'ai démissionné. Je suis parti voir d'autres horizons. Quand je suis revenu, je me suis consacré à ma passion. Vous avez commencé activement cette activité de mécanographie informatique en quelle année Bon, la mécanographie, j'ai commencé en 1983. La maintenance informatique, je me suis documenté avec des livres et autres là, et j'ai commencé comme ça. Mais j'ai pas quelqu'un qui m'a formé en informatique. Alors, euh, est-ce que vous, vous avez formé d'autres jeunes euh, qui profitent encore euh, de cette activité Ici à non. Mais il y a d'autres qui sont à l'intérieur du pays. Mais sinon, j'ai formé pas mal de jeunes en dactylographie j'ai formé des dactylographes. À ah, maintenant, je n'ai formé que deux. Est-ce que depuis que vous exercez ce métier, vous avez eu un appui particulier d'une ONG ou de l'État Non, jamais. Même les petites formations en informatique, en maintenance ou en électronique, nous, on apprend comme ça. Hein. On entend qu'il ah, y a eu tel, tel truc et rien. Ici à Lutte, vous êtes sollicité par les services techniques ou de l'administration pour un dépannage quelconque Les services techniques, les, privés en général, et je suis populaire, ça résume tout. Comment vous vous en sortez pour euh, la vie courante, vous êtes chef de famille. Oui, je suis chef de famille, père de sept enfants, mes soeurs, mes frères et mes neveux. Mais quand même, on s'en sort très bien avec le petit bricolage. On trouve un peu de quoi manger, de quoi payer l'électricité, survenir à d'autres besoins aussi. Voilà, après ce reportage en région, nous allons continuer hein, de savourer de la bonne musique dans cette émission. Et cette fois-ci, c'est reparti avec quel artiste déjà, Mariam Au bas de Piagades qui nous chante à Tarha. Eh. اجل ندوبانا رغم ضمني نهات ندين كي ورد غماني تو طفل تدزور تصفني تو سبت الدم استنى صماني اذنيني يبقص ولا يبقصي اول تكرتو ترى يددي تقدر ليدس خايم مدري Tes photos sont toujours dans mon tiroir. Te rendre heureux, ça c'est mon devoir. J'y joue les jaloux, vas-y te faire voir. A Ganda, j'ai toujours la couloir, Notre amour n'est jamais à revoir. que Ikmi Willen, madame, encore revoir. De mon cœur, tu connais tous les couloirs. Reine de mon cœur, je te confie le pouvoir. فكرة صديعي ترهات لي غلاي ترهات لي دوالي تبقى جيت مريتان فكرة صديعي ترهات ah cause de toi, on m'a dit tu es fou. Si tu me laisses tomber, je serai fou. Les à hors d'amour, on les pas fou. L'amour c'est entre nous, le reste on s'en fout. والله on s'en fout كاتجن القمات ورقيتي نو يسار كياخدو بندرس والراكد اسك الناس انا كديرس وبازور من ضياع صوت غيد تزاد النود وما تخلك مال انت جيدي سخنة كوركي الشونية غاس امي خاطر ولن بدي ورم من ضياع Tarhanamadi, Igor le c'est l'heure du loti du jour. On va parler des préjugés envers les personnes. Rakia Arimi et Fanta Shamsou nous entretiennent sur le fait d'avoir des jugements hâtifs envers euh, les personnes. Affairage, affairage, affairage, affairage. Regarde la dame là. Comment peut-on s'habiller et sortir ainsi On dirait qu'elle n'a pas de parents à la maison. Hmm, et des cinq. Hamso, tu es sûr ça va Depuis là, je te parle et au lieu de me répondre, tu comptes. D'ailleurs, qu'est-ce que tu comptes même Je compte le nombre de fois que tu juges une personne dans la rue, juste en la voyant. Tu ne fais que ça depuis ce matin. Tu juges, tu juges, tu juges. Ça suffit, Mana. Juger Je ne juge pas, Wallahi. J'ai dit juste ce que je vois. Hmm. D'abord, c'était une femme qui rentrait dans un bar. Et juste pour ça, tu l'as traitée de prostituée. Toi, si elle n'est pas prostituée, qu'est-ce qu'elle va aller faire dans un bar Acheter à manger, par exemple. Il y a des bars qui offrent des très bons menus et qui font de très bonnes bouffes. Hey une bonne femme n'entre pas dans un bar et puis c'est tout. Ensuite, il y a mon collègue que nous venons de rencontrer. Juste parce qu'il porte des locks, tu penses qu'il fume ganja. Hum, hum, hum, Arrête de modifier ce que j'ai dit. Toi, qu'est-ce que tu as dit Moi, j'ai dit que s'il il ne fume pas ganja, c'est qu'il est fou. Parce que s'il n'était pas fou, est-ce qu'il allait laisser ses cheveux pousser comme ça hmm. C'est justement cela qu'on appelle avoir des préjugés, Kadi. Roger, c'est une très bonne personne. Combien de fois je dois te dire qu'elle n'est pas partagé les mêmes valeurs, la même vision ou les mêmes points de vue que la personne ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Avoir des préjugés, c'est vraiment très mauvais. Préjugés quoi C'est quoi ça encore Toi en train de parler gros français là toujours. que hum, hum. ce n'est pas gros français. Un préjugé, c'est avoir des idées préconçues, c'est faire des suppositions sur une personne par exemple, sans prendre le temps et le soin de la connaître. En gros, c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. Hé, moi je n'ai rien fait de tout ceci. C'est ma nature. Quand je vois une chose, je parle. Pia. Kadi, tu peux parler autant que tu veux. Le seul souci, c'est de juger. Avoir des préjugés, ça t'empêche de voir la beauté qui se cache en chaque être humain. Imagine si on laissait nos préjugés nous dicter comment percevoir le monde. On passerait à côté de tant de merveilles. moi, je fais juste partie de ceux qui se fient à leur première impression. Première impression qui est souvent très fausse. Tu te rappelles la dernière fois que nous sommes allés au marché, tu as mm. juste vu une dame qui t'a regardé et tu as dit qu'elle ressemble à une sorcière Wayma mm-hmm. qu'elle voulait te manger avec ses yeux. Et quand elle s'est approchée, tu allais même fuir si je ne t'avais pas retenu. Mais lorsqu'elle s'est présentée, tu as toi-même compris que c'était juste une cousine à ton mari que tu ne connaissais pas encore. Mm-hmm. Tout c'est vrai. Je me suis trompée. Mais juste cette fois-ci-là. Hey, Kadi! Juste cette fois-ci, mm, mm, faut avoir peur de Dieu. Hein. Toi, tu te trompes presque tout le temps. Tiens, la petite soeur de ta voisine Zara, que tu traitais de débauchée, parce que tu la voyais traîner avec ses amis dans le quartier. Tu jurais qu'elle n'allait pas avoir le bac. Elle l'a eu ou pas Elle l'a eu, wallahi. Et ce n'était pas la seule fois. C'est devenu une habitude pour toi sans même que tu ne t'en rendes compte. Wallahi, c'est vrai. Maintenant que tu me parles, je me rends compte à quel point je suis remplie de préjugés. Mais qu'est-ce que je dois faire pour les éviter C'est très simple, Kadi. Prends le temps de te remettre en question. Tu dois aussi arrêter de faire des jugements hâtifs. Apprends à connaître les personnes avant de tirer des conclusions. Chaque petite action compte. Si chacun de nous fait un pas vers la compréhension et l'ouverture d'esprit, nous pouvons changer beaucoup de choses. Wallahi, tu as raison, Hamsou. Je m'y mets tout de suite. C'est juste que parfois, c'est tellement facile de se laisser emporter. C'est tout à fait normal, dit Personne ne dit que c'est facile, mais ça en vaut la peine pour ta propre santé mentale Hamsou, merci de m'avoir ouvert les yeux sur ces sujets. Dieu te bénisse. Amen. Merci les filles pour vos conseils. Chers auditeurs, place à la culture linguistique avec Samira Amour, où nous en saurons plus sur l'expression saison pluvieuse. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello ladies and gentlemen, good morning and welcome to your show culture linguistique. Au Niger, le mois d'août marque pleinement la saison pluvieuse qui se caractérise par une pluviométrie beaucoup plus importante. Vous l'avez deviné. Nous allons voir ensemble l'expression saison pluvieuse. La saison pluvieuse est une période de l'année où la pluviométrie moyenne est beaucoup plus importante. Saison pluvieuse en anglais veut dire raining season. raining season is the time of year where the majority of countries or region annual precipitation occur. An example. The raining season has moderate temperature. That means la saison pluvieuse a une température modérée. Flood was only observed in the raining season. That means l'inondation est observée pendant la saison pluvieuse. La saison pluvieuse est accompagnée de multiples conséquences, notamment les inondations, les pertes en vies humaines et des pertes économiques sur les habitations, bâtiments, champs et jardins. The rainy season has many consequences including loss of life, and economic losses in home buildings. Chères auditrice et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir et à très bientôt. Ladies and gentlemen, that's all for today. Join us next time same with Studio Kalangu. merci Samira pour euh, cet éclaircissement. Chers euh, auditeurs, si vous, vous aussi, hein, vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'expression en anglais, en Hausa, en Jarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal euh, ou un message écrit au 82 89 89 64. C'est le moment pour nous d'écouter nos auditeurs qui nous ont envoyé des messages vocaux. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. a gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen su da suke wallafawa kuma kaman abubuwan gaskiya suna burge mu fi kuma gaskiya kaman labaran da suke sa kuma hakanan ne eh kaman nan garin gaskiya ban mu kaftan su dole mun shiga kaman internet muna so su karfafa satellite din su a nan garin difa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaskiya studio kalangu muna jin daɗin shi domin muna samun labarai na nisa da na kusa daga nan cikin Nijar gaba ɗaya ƙauyuka da birane kuma da na nisa wanda yake ƙetare duka muna iya samun su surtu abin da ya shahi labarai na karkara komi da komi muna samun labarin su alhamdulillah muna jin daɗin studio kalangu musamman da suka sauƙaƙa muna ana iya samun application kin shi ta hanyar social media duka kana iya samun labaran su ba tare da ka sha wahala ba a nan difa To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. To ni ma dai gaskiya a matsayina na dan difa gaskiya studio Kalangu sai mu ce musu alhamdulillah alasan barka. Sai dai karin eh, bayani da zan yi muna so kamar yanda in muka kunna su mu dinga jin su rangada daudin nan to wannan abu yana ƙara samu nishadi kuma shirye-shiryen su gaskiya babu na yaddawa. ko da baka jin yare yaren da ake yi ma wani lokaci ni ka gani a cikin yarurrukan da suke baya wuce yare biyu ne nake ji amma duk shirin zan shugare shi ko da ban na jin yare saboda daɗin abun da nishaɗi da yake bani kuma ina ma yan garin mu na difa gaisuwa na fatan alkhairi da wannan damana da muke ciki kuma ubangiji Allah samu ƙarshen ta lafiya wallahi ina sauraron shi da lokaci dai yayi na sauraron kalangu ana yin buzanci ana yin hillanci ana yin hausa ana yin zabarmanci ana yin shi walla duk an ga abu sai sun kare duk guda biyar sa yin kashe radio na sa'a shirin sai ban taɓa sauraron shi ba amma shirin marice wannan ba shi bari na duka sai na sauraron su duka da muhawara insha Allah walla kuna waye mutane kai kwarai ni ce mai sauraron radio kalangu shina birge ni duk ina gaida masu journalist ina duka masu abin reportage in radio kalangu da na hausa da na zabarmanci da na hillanci da na horanshi shi dan zamar man duk ina gaida kowa da kowa kuma ni mai sauraron ku ce ɗari bisa ɗari. Kuna sauraron shirye-shiryen studio Kalambu? Muna nan ga sauraron su. Wani shirye-shiryen kuke saurare? Shirye-shiryen ƙarfe biyar zuwa shida. Mm-hmm. Wani shirin ya ƙayatar da ku? Shirye-shirye suna ƙayatar da mu musamman dai labaru da muka ji. da wanda musai ba muna kawa yotowa da gare. Kuna karuwa da su kuna son wayewa? A muna samun wayewa gaskiya. Ina gaida um, ma'aikata ne na mata Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Nous sommes à la fin de notre émission Les Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie d'Ali Moukela Ousseni, alias Asseno 50% et moi-même Maria Madé. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. Oui, à la technique, c'était tout simplement Abdulkader Chambiano et à l'édition, c'était la grande dame Adama Dawaki. Excellente journée à tous. Et à bientôt. Ciao, ciao.